Cher Badianogor, vous participez par votre travail quotidien de façon exemplaire au renforcement du bien-être familial par l'éducation de nos enfants et la transmission d'un savoir-être et d'un savoir-faire aux jeunes mamans et aux futures mères. Je me réjouis de constater que votre organisation très bien structurée au plan national à travers les 557 communes est forte de plusieurs milliers de membres présents donc sur toute l'étendue du territoire national. Vous jouez ainsi un rôle capital dans la protection de la mère et de l'enfant, deux piliers majeurs de notre société. Je vous exprime la reconnaissance de toute la nation et félicite, vous félicite, cher Badianogor, ainsi que la grande famille des acteurs communautaires pour les efforts collectifs consentis en faveur de la promotion de la santé des populations. Mesdames et Messieurs, cette manifestation est un moment privilégié de réitérer la place primordiale que j'accorde à la santé des populations à travers des offres de soins et de services de qualité accessibles à tous et dans l'équité. C'est tout le sens de la politique inclusive de la couverture maladie universelle que j'ai mise en place. Je reviendrai sur ma déclaration d'aujourd'hui en faveur des Badianogor concernant la CMU. Dès lors, ce forum est pour moi une occasion supplémentaire d'exprimer à toutes les Badianougor la reconnaissance de toute la nation ainsi que mon soutien. C'est le lieu de saluer le rôle de premier plan de tous les acteurs communautaires dans notre pyramide sanitaire ou plus précisément dans notre système de santé. Présent partout dans le Sénégal, parfois dans des endroits très reculés et enclavés, les acteurs exercent leur travail avec désintéressement au prix de multiples sacrifices. Ils constituent un maillon essentiel du système de santé. Ils méritent notre attention soutenue notre considération et notre accompagnement permanent. C'est pourquoi je demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de renforcer leurs moyens et positionnements Il s'agira très concrètement, Monsieur le ministre, d'étudier un système de motivation en faveur <laughs> <laughs> Alors, Yakar Nani ne ah, <clears throat> dafa mel ni dafa mel ni vous l'avez compris

Cela devra permettre de renforcer leurs moyens et positionnements afin d'assurer leur meilleure participation à l'exécution optimale des politiques de santé.